Soyez les bienvenus, pasteur. Et avec euh, votre femme formidable, euh, Madame Esther Koumoui. Aujourd'hui, nous allons avoir euh, un interview tellement bref. Et notre père, nous sommes ici avec euh, les journalistes de l'État de Et nous, s'il vous plaît, les journalistes, vous allez vous introduire et poser certaines, quelques, seulement que quelques questions. Les journalistes maintenant, soyez les bienvenus à notre état de Adamawa. Que le Seigneur continue à vous bénir et vous garde dans la santé Ma question est que dans les dernières euh, décennies, l'Église a vraiment vu une grande euh, croissance. Et aussi, on a vu aussi des relations pertinentes avec les autres églises. Est-ce qu'on va dire que ceci, c'est un changement ou bien c'est un mouvement Je crois que si vous parlez de changement, il y a plusieurs types de changements. Il y a un mot dans la Bible et dans l'addition, on dit, on a dit un autre. Il y a une manière de dire un autre. Une autre chose de la même manière, une autre uh, euh, de différentes choses. Ce que nous faisons, c'est plus que ce que nous avons fait, mais ce n'est pas d'une autre manière on continue toujours, on, on continue à croire au Seigneur Jésus, à la Trinité, à toute la Bible entière. Alors seulement on ne fait que extendre, expandre notre il faut comprendre euh, que nous ne sommes pas les seuls chrétiens sur cette terre, les seuls chrétiens dans le monde ou bien dans notre État ou dans notre pays. Mais on doit se concentrer sur ce que nous faisons pour qu'on ait une fondation forte. Et maintenant qu'on a pu le faire, on peut, on a su, on dit que nous sommes toujours ensemble, mais on a besoin on mette la fondation et après cela, on peut diffuser, on peut se diffuser et toucher les autres vies et pouvoir unir, bien s'unir avec d'autres chrétiens ou d'autres dénominations, des autres églises pour pouvoir diffuser la parole de Dieu. Papa, merci, soyez bienvenu. Mon, père, mon nom c'est Adama. Adama, je veux poser cette question l'impact de cette croissante, parce que je crois, parce que je, dis la croissade parce que je suis la croissance comme quel, quel uh, sera l'impact de cette, de cette euh, quel sera le, nombre de participants uh, euh, Vous voyez, c'est vraiment un peu difficile de combien de personnes vont participer à la passade parce qu'on on en de, toucher l'Orient, les, Américains, les, Européens, l'Afrique, n'importe partout. Donc, euh, chaque moment, les gens il y a les autres personnes, vous voyez, euh, à travers ces passade on a touché beaucoup de vies et plusieurs personnes ont reçu la parole de Dieu. Ils ont eu des changements et des transformations de vie dans leur vie il y a certaines mêmes personnes qui ont dit qu'ils disent oh, à cause des maladies, à cause, de la, à cause euh, des problèmes, à cause des difficultés, alors ils disent au moins c'est mieux que je meure. Mais à travers cette croissade, cette croissade de saison, ces personnes se sont fait comment revenir après se retrouver leur vie encore état nouvelle, état nouveau. Alors même, considérons les gens même qui ont eu le cancer et ils ont trouvé la bah, la, euh, solution, la guérison. ceux qui étaient fous, les gens qui sont fous ont retrouvé euh, la guérison. C'était insensé, ils sont revenus maintenant à normalité. Et d'autres même qui étaient là, ils disaient que oh, ma vie est perdue, ma vie est gâtée. Mais à travers cette prédications, ils ont perdu tant de tant de moments dans la, dans la dispensation tellement mauvaise. Mais après avoir reçu cette parole, ils ont dit, ah, je dois faire quelque chose encore, il y a encore du temps pour moi, il y a encore une autre vie. Et même les, les docteurs aussi ont confirmé certaines personnes qui sont mortes, qui se sont morts à l'hôpital et à travers la prière, euh, le croissage, à travers la prière, les docteurs ont confirmé que ces personnes ont ressuscité des morts et maintenant les gens qui sont morts, ils ont resté dans le coma et maintenant après la prière, ils sont revenus à la vie, uh, les docteurs sont contents, ils ont donné uh, des témoignages, les familles aussi sont contents, ils sont et à travers, certaines personnes aussi, ils viennent même à la croissade une seule journée et ils sont vraiment changés. Les gens même qui n'ont même pas voulu délibérément aller à la croissance, mais après la croissance, soit à la télévision, soit à la radio, soit sur les réseaux sociaux, les sociaux, maintenant seulement accidentellement, par rencontre, par chance, ils sont rencontrés et à travers cette croissance leur vie se sont changés. Et vraiment, et ce que je dis, c'est que si cette personne a changé, ça veut dire que aussi beaucoup de personnes vont changer. Soyez les bienvenus, papa. Je pose cette question parce que je sais que beaucoup de Nigériens, Nigériens t'écoutent. Je veux poser cette question, pasteur. Quelle est votre disposition concernant notre, notre euh, élection qui vient moi, ce que je cherche, c'est ce que je veux. Les leaders, les leaders sont tellement importants parce que les leaders, ils sont des personnalités tellement importantes parce que ce sont des personnes qui vont conduire, qui sont le devant à conduire le volant de, du, pays. Alors, le leader qui nous conduit et le dirige euh, que moi, je prie que tout, et je demande que tout euh, citoyens de notre pays se réveillent et commencent à voir qui est, qui est le on ne, doit pas voter à cause du sentiment, on ne doit pas voter à cause de l'Église, on ne doit pas voter à cause de ce que j'en contre cette personne ou j'avais cette personne. on vote avec une connaissance particulière que je vote pour, je vote je vote, je vote pour cette personne qui je sais que je crois en qui que si cette personne vient ou bien devient leader, cette personne-là peut m'aider ou bien changer la vie de notre pays, de changer. Alors, nous devons payer, nous devons aussi payer aussi et pouvoir voter sagement. Et Dieu va nous conduire euh, papa, merci. Je crois que j'ai le pouvoir de poser la dernière question. Pasteur, vous êtes venu d'entre maintenant, d'entre État. Qu'est-ce que vous avez pour notre euh, État Moi, je suis venu ici au nord, du sud. Je veux que tous en comprennent que le futur devant, devant nous n'est pas déterminé par quelqu'un qui ne nous connaît pas ou bien des esprits qui ne nous connaissons pas. Mais si on se connecte à Dieu avec son amour, on peut avoir, tout le monde peut avoir un futur meilleur, individuellement et aussi les jeunes gens, les, adultes. On aura un glorieux futur et par la foi que nous avons enseigné. Et maintenant, ce que nous parlons, c'est nous parlons à la puissance qui ne finit jamais, on amène nos problèmes au Seigneur. Les problèmes que nous qu'on n'a jamais arrivé à faire nous-mêmes. Et maintenant, c'est notre, moment pour pouvoir se connecter et se lier avec le Seigneur et on aura les solutions à ces problèmes. Et actuellement, nous voulons que vous priez pour les journalistes. Vous êtes déjà bénis. Nous allons prier. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour cette union. Nous te remercions pour ces journalistes. Nous te remercions pour les femmes, les hommes, tout le monde que tu vas utiliser pour pouvoir nous donner l'illumination, la compréhension, l'entendement. Nous prions que tu leur conduis, que comme ils vont aller continuer à travers toutes les activités, tous leurs travaux, tous ce travaux qu'ils font, qu'ils vont faire à travers cette occasion. Nous prions, Seigneur, Utilise-les pour accomplir une œuvre positive à la fin et glorieuse Qu'ils disent la chose correcte, la chose normale au moment opportun et pouvoir écrire les choses normales pour que les gens lisent et soient confortés ou bien soient seulement en connaissance. Merci Seigneur parce que nous avons au nom de Jésus, nous avons prié.